le forum du studio le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio passé de 15 minutes à Niamey. Monsieur Dam, bonsoir. Bienvenue à ce nouveau numéro du Forum du Studio Kalangou qui est un espace d'échange et de débat. C'est dans une présentation de fils Adam Selfo. Les programmes du Studio Kalangou sont diffusés grâce à un réseau dynamique de 31 radios partenaires qui diffusent en direct les programmes du Studio Kalangou. Chers auditeurs, aujourd'hui, vendredi 17 novembre, le Forum est consacré au décryptage de l'actualité de la semaine la Cour constitutionnelle du Niger a déclaré irrecevable la lettre du président de l'Assemblée nationale introduite le 3 novembre dernier auprès de cette Cour au fin de constater la vacance du siège occupé par le député Mamadou Karidjo et dans le même temps procéder à son remplacement par son suppléant, M. Abdikim Moulay Zeidan. On en parle dans ce forum. Nous parlerons également de la rencontre du collectif des organisations de la société civile nigérienne avec les députés de la Commission des finances de l'Assemblée nationale lundi dernier pour soumettre à leurs appréciations des propositions utiles au moment de l'examen du projet de loi de finances 2018. Hier 17 novembre, un compte rendu sur les différents points soumis aux parlementaires a été fait par ces acteurs de la société civile. Dans ce forum, nous parlerons également des assises du 12e congrès statutaire de l'Union des scolaires nigériens qui ont eu lieu du 7 au 10 novembre dans la capitale de l'Aïr Agadez. Ils ont accouché d'un nouveau comité directeur chargé de, de conduire les destinées des scolaires nigériens pour deux ans. Le 30 novembre 2017 sera célébrée la Journée nationale de la liberté de la presse. Nous parlerons donc des préparatifs ainsi que des élections à l'ONIMED qui auront lieu demain 17 novembre à Niamey. Et enfin du sport avec les préparatifs de la 39e édition du championnat du sabre national qui se tiendra à Zender à partir du 25 décembre. Avec nous pour débattre dans ce studio, M. Gary Amadou du journal Le La Nation. Bonsoir à vous. bonsoir. Nous attendons euh, d'un moment à l'autre l'arrivée de Roufaï Dandoua, il est journaliste indépendant. Et nous recevons également El Haj Suleiman Mamoudou du journal en ligne Niger Inter. Bonsoir à vous. Bonsoir. auditeurs, comme je l'annonçais plus haut, la Cour constitutionnelle du Niger déclare irrecevable la lettre du président de l'Assemblée nationale introduite le 3 novembre dernier auprès de cette Cour au fin de constater la vacance du siège occupé par le député Mamadou Karidjo et dans le même temps procéder à son remplacement par son suppléant M. Abdikin Moulay. C'est en son audience du 10 novembre 2017 tenue à Niamey que la Cour constitutionnelle statue en matière électorale a déclaré la requête du président de l'Assemblée irrecevable. Je commence par vous, Monsieur Gary Amadou de la Nation. Quel euh, commentaire euh, sur cette requête du président de l'Assemblée Oui, d'abord, euh, il faut dire que la Cour constitutionnelle est vraiment dans son rôle. Elle a rendu un arrêt qui dit que, en tout cas, la forme dans laquelle cette demande a été adressée ne correspond pas aux dispositions de l'article 148 du Code électoral. Donc, euh, je pense que c'est juste une façon euh, pour la Cour constitutionnelle de dire à l'Assemblée nationale de revoir sa copie et de reprendre le, processus en respectant les dispositions de l'article 48 qui dit que c'est le bureau qui demande à la Cour, qui, adresse la requête à la Cour constitutionnelle. C'est juste une question de, de, de, forme qu'il faut revoir, n'est-ce pas, et de procédure qu'il faut respecter, c'est tout. Mm. Euh, on a vu les gens s'alarmer un peu sur les, sur les réseaux sociaux pour dire que oui, oui, la Cour constitutionnelle a désavoué euh, l'Assemblée nationale. Non. Et les gens ont fait de l'amalgame aussi concernant cette décision de la Cour. Les gens ont interprété ça comme euh, déjà une annulation de la, nomination de Carignan. Mm. Non, il n'en est rien. La Cour a reçu une requête pour constater la vacance d'un poste. Et la Cour a dit que non, la façon dont cette requête-là a été adressée n'est pas normale, il faut reprendre en réalité. Elle n'a pas dit il faut reprendre. Mais déjà, quand elle dit que la façon dont ça a été fait, ce n'est pas bon, parce que l'article 148, voilà ce qu'elle dit. C'est juste une invite à l'Assemblée nationale à reprendre ce, processus-là pour faire une réunion, du bureau à l'issue duquel le bureau de l'Assemblée nationale, dont le président et le président de l'Assemblée nationale, va adresser la. la... Donc c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. La Cour constitutionnelle dans son rôle et l'Assemblée nationale aussi dans son rôle. En fait, pourquoi il y a eu cette confusion Parce que vous vous rappelez, il y a quelques semaines de cela, lorsque le député Ousmane Idaango avait été nommé président ou directeur général de la la Caisse nationale de consignation. Mhm. C'est le même processus que le président de l'Assemblée nationale avait, avait en tout cas euh, respecté, n'est-ce pas Il avait adressé une lettre et cette fois-ci, à cette époque-là, la Cour constitutionnelle avait euh, constaté la vacance du poste et il avait été remplacé par son suppléant. Mhm. Bon, euh, certainement que la Cour s'est basée sur peut-être les anciennes dispositions. Maintenant, bon, c'est très, important de respecter les textes. Ce que la Cour constitutionnelle est normal et ce que l'Assemblée nationale a fait, euh, c'est aussi une façon de se, corriger. Mhm. On lui donne une seconde chance pour se corriger pour que cette fois-ci, la, requête qui va être adressée au président de l'Assemblée nationale soit plus correcte. Oui, rappelons que le député Mamadou Karidjo a récemment intégré le gouvernement alors qu'il a occupé le poste de président de la Haute Cour de justice. Elage Suleiman euh, du Niger, de Niger Inter, est-ce normal pour Karidjo d'occuper deux postes à la fois euh, à la vérité, euh, je pense que même si par ailleurs l'opinion étant ce c'est un peu, de mon point de vue, abusif de dire qu'il occupe deux postes à la fois. Euh, nous, nous avons ce réflexe, en tout cas à Niger Inter, euh, de faire ce que nous appelons fact-checking. Quand il y a un truc, nous, on essaie de vérifier. Mm. En tout cas, bon, euh, je ne sais pas à quel moment ça a été fait, mais selon nos informations, au niveau de l'Assemblée nationale, Karouge a, été, à bel et bien démissionné en bonne et due forme. Maintenant, c'est un débat, mais les faits, en tout cas, montrent que véritablement, il ne pouvait pas quand même, euh, même si on prête euh, le truc, le truc que les gens sont un peu amateurs souvent, mm. mais je ne pense pas que quand même euh, la présidence et l'Assemblée qu'on puisse vraiment faire cela sans prendre des précautions, quand même d'usage. Mm. Donc de ce point de vue-là, on laisse vraiment la, la polémique, mais en tout cas, selon en tout cas notre vérification, il euh, n'y a aucun doute euh, Abel est bien démissionné, il n'occupe pas de poste euh, à la fois. Mm-hmm. Et même sur le fameux débat, c'est qu'en réalité, le caractère inamovible, en tout cas, selon en tout cas les, experts, signifie qu'il est protégé lorsqu'on voudrait le démettre, lorsqu'on voudrait vraiment le, le, prendre par la force, le forcer, le forcer la main pour quitter. Mhm. Mais s'il démissionne de lui-même, euh, il n'y a pas de problème. Donc, de ce point de vue, euh, dans tous les cas, nous sommes quand même en démocratie. Quoi qu'on fasse, les gens vont dire euh, un certain nombre de choses. Mhm. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'est aussi l'autre aspect, la première question sur l'arrêt de la Cour constitutionnelle. C'est que là aussi, après vérification, nous avons appris que le PV de, de la réunion du bureau, eh ben, eh il existe. Mais en réalité, il n'a pas été inséré parce que euh, de par le passé, il l'a dit, Garé l'a dit tout à l'heure, ce euh, euh, c'est pas la première fois qu'un député, sous en tout cas la, la, la, la, mandature actuelle, en tout cas audition, la, première mandature du président Issou. Mm. Donc en réalité, il n'a jamais été question, la Cour n'a jamais exigé qu'on installe le PV de réunion du du bureau. Mhm. Mais cette fois-ci, elle l'a exigé, mais on pense que quand monsieur, dans tous les cas, on ne peut pas interpréter euh, leur arrêt. Donc, euh, mais mais cela arrêté selon notre information au niveau de l'Assemblée nationale. Véritablement, le bureau s'est bel et bien réuni. Et je pense qu'au niveau du bureau, il y, a, des opposants, ils peuvent euh, démentir ce qui a, en tout cas, mhm. été révélé comme information que la, le bureau se réunit, le PV existe, mais ils ne l'ont pas inséré parce que de par le passé, c'était pas une. Euh, mais je pense que aussi, il faut quand même euh, peut-être euh, euh, critiquer un peu comme aussi au niveau de l'Assemblée. C'est pas la première fois. Donc les conseillers euh, euh, juridiques, en tout cas du, au niveau de l'Assemblée, doivent vraiment comme je pense que c'est élémentaire vraiment, même étant vraiment profane. Nous pensons que ces documents devraient accompagner en tout cas la lettre du président de mhm. l'Assemblée nationale simplement pour une question de forme. Mhm. donc bon, moi je pense que de ce point de vue là, euh, c'est que c'est en tout cas je retiens en tout cas selon notre information, c'est que c'est juste un comment on appelle ça, une vis de procédure. Mm-hmm. Donc, euh, très prochainement, donc, euh, le président de l'Assemblée va encore écrire avec maintenant en bonne et due forme, demander et cela va être fait. Merci à vous. Autre sujet qui a marqué euh, l'actualité cette semaine, c'est la rencontre lundi dernier de certains acteurs de la société civile avec les députés. En effet, un collectif des organisations de la société civile nigérienne était face à ces parlementaires de la Commission des finances de l'Assemblée nationale pour soumettre à leurs appréciations des propositions utiles au moment de l'examen du projet de loi de finances 2018. Et hier, 17 novembre, les membres de ce collectif ont fait un compte rendu sur les différents points soumis aux parlementaires. Je vous propose euh, d'écouter à euh, ce sujet Moussa Changari, membre du collectif de la société civile. Donc tout ce qui concerne les mesures relatives à, l'institution de la taxe sur l'habitation, l'extension de la TVA, les, certains éléments qui concernent les aspects fonciers et tout ça, y compris les, droits d'enregistrement, cette histoire euh, qui concerne l'héritage, Donc tout ça, on propose que le gouvernement supprime ces mesures de la loi. Maintenant, nous proposons également qu'on remette la taxe sur euh, les appels euh, téléphoniques à internationaux. Il faut que le Niger maintienne cette taxe-là. Il n'y a aucune raison qu'on soit le seul pays au monde qui enlève ça. Que d'abord, on gagne 29 milliards avec ces taxes. Dans les conditions actuelles, c'est-à-dire sans un contrôle rigoureux, on gagne 29 milliards. C'est basé sur leurs déclarations, sur eux prennent 29 millions d'examens par eux-mêmes. Les marketeurs aussi, on rejette cette révision-là. Parce qu'en en fait, les marketeurs, c'est qui C'est les gens qui ont les stations. Qui a Niamé, pardon, ne connaît pas c'est qui et qui qui ont ces stations. Et qui ne sait pas que ce sont les amis des politiciens qui nous dirigent. C'était la Moussa Changari, euh, membre du collectif des organisations de la société civile. Alors, Elhaj Suleiman, que pensez-vous de cette euh, démarche de ces acteurs de la société civile euh, Au niveau de la démarche de la société civile citoyenne, comme ils disent, j'ai au moins deux, observations. La première, mhm contrairement à ce qui a été fait euh, le malheureux événement du 29 euh, octobre, ils sont allés rencontrer les commissions de l'Assemblée nationale, en tout cas dans la commission finances et budget et les autres commissions. C'est une très bonne chose. Moi, je pense que c'est aussi là le travail de la société civile, véritablement, ne pas faire les débats. Ils sont allés, ils l'ont dit vraiment, ils ont été bien reçus, il y a une confrontation euh, mm-hmm. d'arguments, mm-hmm. et ils ont rendu à la presse. Euh, donc, euh, et maintenant, c'est cela, moi j'ai le jeu, parce que ce qui s'est passé le 29 octobre, vraiment c'est très malheureux. Un projet de loi qui est en examen au niveau du Parlement, qui n'a même pas été discuté, mm-hmm. alors qu'il y a une opposition au sein du Parlement il y aura un débat public, en tout cas, qui va être transmis en direct au niveau de l'opinion je pense que ça ne vaut pas la peine à ce qu'on puisse aller casser. Mm. Euh, ma deuxième observation, c'est que véritablement, euh, je pense que à partir de leur euh, point de presse et leur déclaration, il y a non seulement des arguments vraiment que l'opinion en tout cas partage avec eux, à savoir que véritablement, il y a des griefs contre la loi des finances en examen donc, euh, et je pense que les députés en âme et conscience euh, vont essayer quand même aussi de faire ce qu'ils peuvent véritablement pour toiletter peut-être mhm, mhm. le, le, le, texte. Et par exemple, moi je pense que véritablement, je me pose encore la question sur la question de, par exemple, de la tati, la, la taxe là, donc, euh, que, que, par exemple, c'est comme si, comme ils disent, le pouvoir est en train de, en fait, euh, de faire des cadeaux fiscaux aux, aux téléphonies, en tout cas aux grosses fortunes pour presser le, peuple. Euh, donc, euh, de ce point de vue-là, euh, je me suis posé beaucoup de questions et j'ai interrogé en tout cas certaines voies autorisées. quel est vraiment, qu'est-ce qu'il y a d'économique le fait de renoncer à cette taxe-là, la TATI, mhm. pour, véritablement, selon en tout cas les réponses que j'ai, c'est vraiment le souci euh, de suivre les critères de convergence, en tout cas, euh, de, c'est euh, aussi l'autre aspect. En, plus de ce texte-là, en tout cas, la loi de finances ici, véritablement, la faille, la principale difficulté, c'est que le gouvernement voudrait aussi se conformer aux mesures, non seulement de la communauté, donc l'UMOA, mm-hmm. mais aussi à la communauté internationale. Vous avez suivi la dernière fois quand le, le FMI était là, on a compris que véritablement, il y a certaines dispositions de, la loi, en tout cas, et de, finances, qui a comme souci véritablement de se conformer au programme que le, gouvernement a signé avec le FMI et le, le, le, rapporteur, le porte-parole de, la, commission, mhm. euh, donc, euh, qui, est venu évaluer le programme, il a dit même si ces mesures sont impopulaires, elles sont incontournables. Mhm. C'est l'expression qu'il a utilisée. Donc, en tout cas, ce qui est en train de comprendre que véritablement, il y a quelque part l'injonction des partenaires. Mm-hmm. Et donc, de ce point de vue-là, c'est une réalité. Ce, débat a été fait depuis le, notre début de processus démocratique euh, entre véritablement notre souveraineté. Est-ce qu'on a le moyen, effectivement, de se moquer de, la communauté internationale pour dire qu'on va faire un budget euh, euh, simplement sur la base de nos, ressources C'est assez idéaliste. Mm-hmm. Donc, euh, le vrai débat en réalité, ce que moi je pense que euh, il appartient certes à la société civile, effectivement, mm. comme on est habitué à, dénoncer mm-hmm. ce qui est excessif, mais euh, véritablement, après avoir euh, lu et écouté certains experts, en tout cas en économie, la question fiscale est incontournable tôt ou tard avec ce régime ou après, elle est là parce que simplement, quand je, regardé regardais récemment les budgets au niveau de la sous-région, au niveau euh, mondial, c'est que l'essentiel, d'où vient l'agent de l'État C'est que l'essentiel du budget, c'est la fiscalité. À 90%, mm. quand vous voyez le budget de la Côte d'Ivoire, ils ont 6 euh, 723 milliards, mais les 500 700 milliards viennent de, de, de, de, la fiscalité, mm -hmm. donc des impôts et taxes. donc, véritablement, euh, au Niger, en tout cas, c'est une, réalité, mm -hmm. ceux qui savent le disent, que on est très très en matière de mobilisation en tout cas de la fiscalité nous sommes très très en retard en tout cas c'est insuffisant ce que la mobilise et en réalité si c'est là maintenant qui parle de souveraineté de, notre pays s'oppose véritablement à ce qu'on mobilise les, ressources, mais avec quoi on va justement nous affirmer en tant que nation C'est pas autrement que les nations du monde se financent. Hein. Mm. Donc, oui, si on comprend en termes de lutte, cette démarche de la société civile, pour un premier pas, c'est déjà une bonne chose oui, de mon point de vue, ils ont leur droit de dénoncer. Mais lorsque, effectivement, la société civile euh, outrepasse les limites jusqu'à vouloir. Parce que voilà la, grande question essentielle. Euh, faut-il maintenant que la société civile soit un obstacle à la mise en œuvre d'un programme de gens qui ont été euh, élus mm-hmm. Voyez la question Autrement dit, ce serait défaitiste de considérer que la société euh, civile pourrait bloquer la mise en œuvre d'un programme, en tout cas des gens qui ont été régulièrement élus. Mhm. Donc, vous voyez, il faut éviter certaines impasses. Et moi, j'ai dit que euh, euh, ailleurs, en tout cas dans le monde, ce que les, pays aujourd'hui qui sont organisés, vous allez nous sommes vers le 31 décembre. D'ici le 31 décembre, dans le pays organisé, les gens qui ne payent pas les impôts, qu'ils soient, <laughs> en tout cas, du privé, en tout cas, quel qu'ils soient, à partir du 31 décembre, en tout cas, sont dans une situation, euh, euh, en tout cas, difficile. Et il n'y aura pas de cadeau pour eux. ils le savent. Oui. Monsieur Garé, euh, est-ce que vous pensez que toutes ces requêtes de ce collectif peuvent être acceptées et introduites dans la loi de finances 2018 Déjà dans la démarche, j'ai suis agréablement surpris de voir ces acteurs de la société civile en côté de la commission des finances. C'est ce qu'on a toujours dit. Le débat ne se fait pas dans la rue, n'est-ce pas C'est bien beau de manifester, mais le vrai débat pendant les discussions concernant cette loi de finances-là, c'est à l'Assemblée que ça se passe. Mm. Le président de la commission des finances a dit que la porte est ouverte. Il a rencontré des associations, il a rencontré des structures syndicales. Et je suis heureux de constater que, encore, ces, leaders euh, de la société civile, n'est-ce pas, euh, comme il a dit, des citoyens, ont cherché à rencontrer quand même euh, les, députés. Ils ont échangé en bonne et due forme. Ils ont fait des propositions. C'est tout ce qu'on attend mm. de, la société civile. Ça dire venez apporter vos griefs, ce qu'ils ont fait, et apportez vos critiques et faites des propositions. Ils ont fait des propositions et j'en suis heureux. Maintenant, reste à savoir ce que les députés vont faire. Je suis d'accord sur un point avec eux. Euh, je ne suis pas d'accord avec les cadeaux fiscaux. Hmm. Moi, je l'ai dit sur d'autres plateaux. Je ne suis pas d'accord avec à ce qu'on fasse des cadeaux fiscaux aux marketeurs. Je ne suis pas d'accord avec à ce qu'on fasse des cadeaux fiscaux aux, opérateurs de téléphonie mobile. Je ne serai jamais d'accord. Hmm. Parce que pour moi, ces opérateurs de téléphonie mobile sont des compagnies étrangères pour la plupart. Elles sont là sur le sol national. Il faut qu'elles payent des taxes, hmm. n'est-ce pas Beaucoup de taxes, des qu'elles doivent payer, on ne doit pas leur faire de cadeaux parce qu'ils ne font pas de cadeaux aux consommateurs. certains, bien sûr, à part euh, Niger Telecom, qui est quand même notre compagnie nationale mhm. qu'on doit aider vraiment à. Voilà. Donc, à part Niger Telecom, moi, je pense qu'on ne doit pas faire de cadeaux aux, autres opérateurs téléphoniques mobiles étrangers qui sont là, qui sont en train de se mhm. de, se, sucrer sur nos dos, mhm. n'est-ce pas Et donc, qui sont en train de, de, pomper les consommateurs. Donc, sur ce point-là, vraiment, je suis d'accord avec eux. Merci. Maintenant, donc, j'ai dit, euh, euh, ils ont fait des propositions. J'espère qu'il euh, y aura une entente entre les propositions qu'ils ont faites. Le réalisme dont parle Suleiman, n'est-ce pas, parce que le Niger est obligé de se conformer aux critères de convergence de l'UMOA. Mhm. Il est obligé aussi, parfois, à son corps défendant, de respecter certaines exigences de la communauté internationale, des barres de fonds, parce que sans les barres de fonds, il est difficile pour un État d'exister, il est difficile pour un État de fonctionner sur ses fonds propres. Donc, parfois, même si ça ne vous plaît pas, vous êtes obligé de le faire, parce que parfois, ces mesures que les barres de fonds préconisent, mm-hmm. ce sont des mesures qui pour le moment, les gens peuvent penser que ce sont des mesures qui sont dures, mais qui à long terme peuvent être des mesures dures. Mm-hmm. Mais les gens, bien sûr, ont l'expérience des, programmes d'ajustement structurel qui <laughs> ont, monté leurs limites. C'est pour cela qu'ils ont beaucoup d'appréhension et c'est tout fait normal aussi. Merci à vous, chers auditeurs. Notre troisième invité vient de nous rejoindre. Il s'agit de Roufaï Dandoua. Il est journaliste indépendant. Et nous poursuivons ce forum pour parler du congrès statutaire de l'Union des scolaires nigériens USN qui s'est tenu du 7 au 10 novembre dernier à Agadez. Un nouveau comité directeur chargé de conduire les destinées des scolaires nigériens pour deux ans a été élu. Roufaï Dandoua, quelle interprétation faites-vous du déroulement de ces élections qui ont dégénéré au deuxième jour Merci Nafisa. Eh, il faut dire qu'on a suivi ce congrès de loin, comme la plupart des, gens qui sont ici à Niamey. Et le congrès de l'USN, c'est toujours euh, une occasion d'apprendre beaucoup de choses. Comme on le dit chaque fois, ils sont à l'avant-garde de l'avènement de la démocratie. Mm-hmm. Mais je me rends compte de plus en plus que l'USN n'est plus ce qu'elle était avant juste avant l'avènement de la, de la démocratie ou même de la conférence nationale souveraine. Et puisqu'aujourd'hui, quand vous prenez, euh, tous les courants sont infiltrés par le politique. Mm. Il y a eu des bagarres rangées. Il y a eu tout à l'heure, quand je venais, j'ai entendu sur une radio et un groupe d'étudiants de, d'étudiants ou de scolaires qui ont fait une déclaration pour... Euh, parler de tout ce qui s'est passé, de l'argent qui a été distribué, de la bagarre rangée. Mhm. Et récemment, il y a même un candidat malheureux qui a été tabassé parce qu'il a fait des révélations. Je pense que, et comme eux ont l'habitude de le dire, et ils ne, vont, ne doivent plus montrer la force des muscles, mais la force des arguments, comme dirait mhm. l'autre. Mais j'ai toujours dit personnellement que l'USN a perdu de sa superbe depuis un certain mhm. temps, euh, tant dans leurs revendications que dans la manière avec mhm. laquelle euh, gèrent les scolaires nigériens. Je me dis qu'il faut euh, refonder cette structure, il faut reposer ou poser les bases d'un renouveau de, structures structure des étudiants, puisque mhm. quand vous prenez aujourd'hui dans l'UNUN, ou eh, la structure des collégiens et des lycéens, ou même quand vous prenez eh, l'USN dans son ensemble, vous vous demandez, quand vous les entendez, vous vous demandez si ce sont des scolaires qui parlent ou non. Oui, mais selon vous, qu'est-ce qui, est, à la base de cela Est-ce un problème de manque de leadership, tout ça Le leadership, je ne pourrais pas le dire. Aujourd'hui, vous savez, moi, quand j'étais à l'université, je me rappelle, euh, je ne savais même pas qui était le, le, secrétaire général de, de à l'époque, tellement qu'il était important, tellement qu'il était gardé, qu'il était une personnalité. Aujourd'hui, tu as comme l'impression que ils, sont de, ils sont revenus à la rue ou descendus dans la rue, ils sont devenus des, personnes ordinaires parce mhm. qu'aujourd'hui, ils sont tellement infiltré que pour la plupart des étudiants qui viennent eh, être SG de l'UNUN ou de l'USN ou même dans le bureau, c'est un raccourci facile pour, pour s'enrichir. Mm. Or, à l'époque, quand vous prenez les, les, secteurs généraux de l'USN, les secteurs généraux de l'UNUN, c'était des personnalités imposantes, mm-hmm. charismatiques, mm-hmm. qui, parlent, qui te parlaient très bien le français quand elles te parlent, qui te parlaient très bien le Hausa ou le zerma quand elles parlent. Mm-hmm. Aujourd'hui, la dernière fois, eh, j'avais eu envie de pleurer quand j'ai écouté un, audio qui, circulait sur WhatsApp mhm. dit être scasse de, la section lycée au collège, mais je vous assure, tu as envie de, vomir quand tu l'écoutes. Tant en parlant français qu'en parlant ça Et vraiment, je me dis qu'il y a beaucoup de choses, qu'il y a beaucoup de problèmes mm. auxquels il faut s'atteler pour mm. trouver rapidement des réponses. Merci à vous. Elage Suleiman, euh, ce nouveau comité a été officiellement mis en place. La passation de service a été faite ce matin. Et nous savons que la lourde charge euh, de s'occuper de tous les problèmes des scolaires revient à ce comité. Selon vous, quelles seraient les attentes des scolaires euh, vis-à-vis de ce nouveau comité les attentes des scolaires, c'est d'abord, euh, comme ils disent, leur intérêt matériel et, moraux. Euh, il a dit véritablement, il y a une euh, perte de valeur, il faut le dire tout net. les étudiants, franchement, c'est un peu ça qui est inquiétant pour le pays. Mhm. Lorsqu'on parle de la jeunesse, quand on voit que la jeunesse n'incarne pas le progrès, la jeunesse est corrompue, la jeunesse ne donne pas l'exemple. Parce que véritablement, c'est quand on est étudiant qu'on pense qu'on peut transformer le monde. Mm-hmm. Quand on est étudiant, on, on, pense que véritablement, on rêve beaucoup. Voilà pourquoi avant les étudiants, euh, comme dirait l'autre, une anecdote qui arrêté avant, l'étudiant, euh, même pour draguer sa, sa une, une, fille, il le fait avec des, poèmes, avec la, mm-hmm, sa culture mm-hmm. générale. Mais aujourd'hui, c'est avec euh, sa poche qu'il le fait. Ça, ça, ça, ça, vraiment signifie beaucoup de choses. Mais je suis en train de constater que véritablement, euh, il faudrait un peu plus d'organisation, comme vous dites, un peu plus de, leaders. Mhm. Parce qu'avant, véritablement, au niveau des étudiants, au niveau de la presse, euh, en tout cas, Ahmad Boubacar, euh, c'est vraiment un laboratoire où véritablement les gens viennent se faire valoir à travers le discours, à travers donc leur capacité donc euh, de haranguer, en tout cas de mhm. convaincre les gens. Mhm. Et aussi, ils sont suivis, on, vit en, société. Donc euh, aujourd'hui, c'est d'autres valeurs, en tout cas, qui, qui, sont, qui sont, là. Mhm. Donc moi, je pense qu'il est important, en tout cas, que, vu l'enjeu, cette organisation de masse, en tout cas, elle a beaucoup de monde, tous les scolaires nigériens, aujourd'hui, ils ont vraiment besoin de vrais guides, en tout cas, des gens assez responsables, qui ne vont pas perdre vraiment le temps à la jeunesse dans des grèves, euh, parler en tout cas comme ça. non, non. Il faut vraiment se concentrer sur mhm. l'essentiel, euh, faire vraiment une plateforme euh, essentielle en tout cas sur leur, leur intérêt, en tout cas leur bourse d'études, leur, comment on dit, en tout cas ce qu'il faut pour créer les conditions, en tout cas, d'une année normale, en tout cas, ceux qui veulent avancer dans les études, en tout cas, qu'ils puissent le faire. Mais si véritablement l'année, tout simplement, surtout aujourd'hui avec euh, les universités un peu à l'intérieur, si de, de, temps en temps, en tout cas, on c'est pas vraiment coordonné, c'est mm une certaine anarchie. Et on peut pas avancer tant au niveau interne qu'au niveau du pays lorsqu'il n'y a pas une certaine vision, mm-hmm. en tout cas, de l'essentiel. Merci C'est en tout cas mon, mon, opinion. Garé Amadou, vous, qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau comité qui a été officiellement mis en place Est-ce que vous pensez sera à la hauteur des attentes En tout cas, il a, un chantier quand même qui est déjà là, qui a été laissé par les prédécesseurs. C'est-à-dire mhm. qu'il faut d'abord gérer la question des bourses. Il faut que les bourses soient payées régulièrement. Il faut que les enseignants soient là au niveau du campus universitaire, en tout cas au niveau de l'université, pour donner des cours, parce que ça, c'est encore un autre problème, n'est-ce pas il faut aussi qu'il puisse gérer les œuvres universitaires, c'est-à-dire le, combat pour que les œuvres universitaires soient améliorées. Donc, euh, il a un chantier extrêmement large, effectivement. Euh, il faut qu'il tranche avec euh, les autres, les autres structures qu'on a connues par le passé qui est excellée plutôt par le, parfois par des actes de vandalisme. Mhm. Je pense qu'on a besoin d'une USN plus responsable avec des leaders syndicaux qui, quand ils parlent à la télévision, n'est-ce pas On sent que là, c'est un leader de l'USN, mhm. avec un Français euh, bien sujet verbe complément, tout est correct, mhm. pas un SG qui parle avec des fautes de, vocabulaire, etc., etc. Mhm. ça, ça, fait, ça fait honte parce qu'on a connu l'époque des, grands leaders syndicaux, n'est-ce pas, euh, qui venaient, qui haranguaient les foules quand ils venaient, ils pouvaient faire mhm. deux heures de temps en train de parler, n'est-ce pas Je parle bien sûr des de, et consorts. Donc on a connu des leaders syndicaux plus charismatiques, mais depuis longtemps, comme l'a dit euh, mon ami, voilà. Ce n'est plus le cas. On plus vous voyez un leader, de l'USN qui, qui, vient à la télé, en une minute, il a fait 10 fautes. Mm-hmm. Bon, on a honte. cest à que vous êtes obligé de vous, remettre sous la table parce que vous avez tellement honte. Mm-hmm. Donc on a besoin de lui Je ne connais pas celui-là, le nouveau. J'attends de voir sa première intervention pour me faire un mm-hmm. jugement. J'espère quand même qu'il ne va pas tomber dans les mille travers. <laughs> Il va être à la hauteur de la tâche qui lui a, été euh, assignée. Euh, oui, oui, Les, différents euh, régimes successifs, ils sont pour beaucoup. Le politique a trop infiltré les, structures voilà, qu'aujourd'hui. Et quand vous, voyez, pour partir à des élections, c'est de l'argent qui, qui circule en lieu et place de, des arguments du programme pour euh, défendre, comme l'a dit le grand frère, les intérêts, mhm, matériels et moraux des étudiants. Aujourd'hui, c'est dans les salons qu'on accueille les étudiants, les responsables des étudiants. Tu fais un an seulement à Lyon, l'année prochaine, tu as une voiture, tu as une <laughs> maison, tu te maries avec quoi tu le fais. Il faut mhm. qu'on se pose toutes ces questions pour savoir aujourd'hui où est-ce que ces, garçons trouvent de, l'argent. Et il faut aussi qu'ils se disent que eh, l'USN doit être démocratique. Mhm. C'est pas parce que tu viens de parler, tu dis ce que tu penses sur telle ou telle personne, telle ou telle euh, SG qu'on doit te, t'avasser. Quand même, on n'est mm. pas dans une jungle, mm-hmm. on est dans un pays démocratique. Et quand vous, vous pensez être, vous, vous bombez les torses en disant que vous êtes à l'avant-garde de l'avènement de la démocratie et que vous-même, vous ne vous appliquez pas cette démocratie, il y a matière à débat. Mm-hmm. Parlons à présent de la journée nationale de la liberté de la presse qui sera célébrée le 30 novembre 2017. 2017 à Niamey, Selon vous, comment se porte la liberté de la presse à la date d'aujourd'hui ici au Niger peut-être qu'on va se repérer un peu du dernier classement où on a perdu 8 ou 9 points, c'est cela. pour euh, sûrement diverses raisons. Un moment, on disait que c'était dû au comportement des journalistes. Cette fois-ci, on dit que c'est dû au comportement de, euh, des autorités. Moi, je, je l'ai toujours dit ici, je crois, euh, si je me rappelle, que le pays se fait trop de, de mauvaise publicité mm. lorsque, pour un rien, par exemple, on interpelle, par exemple, un journaliste même si on ne, ne l'enferme pas pendant 2, 3, 4, 5 jours ou un mois, oui. dans, dans, dans les de, du pays, je me dis que c'est une mauvaise publicité. Mm, mm, mm. Surtout pour des futilités ou encore lorsqu'on va devant le juge ou le procureur de, de la République, lorsqu'on parle là-bas et on déboute. Euh, entre griffes le régime. Moi, je pense que lorsque vous dites des choses qui n'ont pas de nature à, à salir ou à entacher l'image du pays, bref, on, vous laisse faire votre travail parce que, comme on dit, la, la presse comme comme l'âge qui a été aux États-Unis, c'est là-bas où on dit la, la presse est l'essence même de, la démocratie. Je pense qu'on doit laisser les gens faire leur travail. C'est vrai qu'il faut cadrer beaucoup de choses, tant dans ceux qu'on pense être du côté de, l'opposition que mm. ceux qui sont censés être du côté de, la majorité présidentielle. Je mm-hmm. pense qu'il faut que chacun se fasse euh, sa propre autocritique pour se dire est-ce que le métier tel que je l'ai appris tant à l'école que sur l'État. C'est comme ça que je mhm. dois, le faire. Est-ce que ce métier qui me donne la possibilité d'être un responsable, d'être un leader depuis nous, je le fais tel que ça se passe Moi, je pense que quelque part, et si on fait notre propre introspection, qu'on s'est dit ce qu'on doit et faire, ça c'est déjà un point de gain. Et que mhm. les autorités aussi arrêtent d'être paranoïaques, arrêtent de, de, voir toujours le feu partout pour dire que mhm. non, non, dès qu'on est journaliste, on est eh, l'ennemi, <laughs> surtout quand on ne dit, quand on est, ne dit pas ce que veulent les autorités. Je pense que eh, de deux côtés, il faut qu'on soit eh, très responsable. Mhm. Mais bon, il faut dire qu'on n'est pas comme certains pays qu'on voit à travers le monde, mais aussi on n'est pas parfait. Alors, Elhaj Suleiman, quel est vous, votre euh, commentaire euh, par rapport à l'état actuel de la liberté de la presse au Niger euh, ben, de façon générale, il a dit tout à l'heure, notre pays, quand on voit la moyenne dans le monde et en Afrique, nous sommes pas mal cotés. Mais véritablement, nous avons notre réalité. Et Reporters sans frontières, dans son dernier rapport, ils ont rappelé le contexte sécuritaire du pays qui est pour quelque chose. Euh, mais aussi, euh, il y a donc euh, le, pouvoir donc aussi qui a certaines réactions qui ne sont pas donc selon Reporters sans frontières très très à, la, hauteur, en tout cas dans le cadre d'une bonne gouvernance. Mais moi, je vois la, plombe de la presse nigérienne à, à, trois niveaux. Le premier niveau, c'est les, dirigeants. Mm-hmm qui véritablement doivent euh, se dire une chose. Le monde nous regarde, quoi qu'on dise, le rapport, ce rapport-là, en tout cas, ce classement de, rapport, de sans frontières, il est en tout cas crédible au niveau international, en tout cas l'opinion publique internationale en tout cas le considère comme euh, objectif mm-hmm. euh, fiable. Donc de ce point de vue-là, il faut en tenir compte. Ça donne une bonne image pour le pays en matière de bonne gouvernance. Mm-hmm. Donc, euh, de ce point de vue-là, le gouvernement doit véritablement tenir compte, euh, véritablement dans la mesure du, de, possible, en tout cas, respecter donc les normes démocratiques et les normes de la liberté d'expression. Mhm. Euh, l'autre aspect, c'est au niveau de nous, les, journalistes, en tout cas, en toute objectivité, quand je lis la presse nigérienne, il y a beaucoup de manquements. Mhm. Nous sommes très excessifs, on abuse vraiment, on abuse de la liberté, de sorte que franchement, de ce point de vue-là, on doit se reprendre, euh, nous, en tant que journalistes. Ce qui m'amène à, aller au moins troisième euh, point, c'est que maintenant, l'organe de régulation doit véritablement euh, s'assumer, c'est-à-dire que véritablement, non seulement en, en, faisant des rencontres avec, avec les journalistes, véritablement, parce que comme vous direz, je ne parle pas du côté répressif, mais véritablement, il y a des, des approches un peu pédagogiques euh, entre confrères. Mhm. Et c'est pourquoi je, je pense que l'ONIMED, véritablement, peut on va, on, va, on va en parler, mhm. doit véritablement jouer ce rôle véritablement, entre quoi, le, des tribunal de pair, mhm. qui peut vraiment inverser la tendance. Parce que lorsque, si on continue comme ça, j'avoue qu'on donne souvent au pouvoir l'occasion de nous réprimer et véritablement euh, nous-mêmes qu'on soit, responsable. on se souvient effectivement un des rapports de, de Reporters sans frontières, je crois, c'est celui de 2012 ou 2013, mhm. avait justement mis en cause nous-mêmes les journalistes plus que le, le, mhm. Donc euh, je pense que c'est un truc d'ensemble. Il mhm. va falloir que chacun joue sa, sa partition euh, en bonne et due forme. Et vous, Garé, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce qui doit être fait pour vraiment promouvoir la liberté de la presse ici au Niger bon, Je pense que déjà, euh, ce classement en lui-même, dès, que le Niger est mal classé par rapport à un classement, en tout cas dans le monde, moi je crois qu'on doit être quand même, on doit s'offusquer, on ne doit pas moi, je suis pas content de voir le Niger mal classé. Ça me mhm. fait de la peine. Et je pense que euh, euh, euh, quelque part, on va en arriver à ce sujet-là. Si le Niger est mal classé, c'est parce que peut-être les autorités ont, pour reporter sa frontière, les autorités ont réprimé la presse. Mhm. Et si les autorités ont, à un certain moment, donné l'impression d'avoir réprimé la presse, c'est parce que l'ONIMED a échoué. Il faut le dire. L'équipe actuelle de l'ONIMED sortante, elle a échoué. Mhm. Parce que si l'ONIMED avait joué bien son rôle, on n'aurait pas besoin d'interpeller les journalistes. Si l'ONIMED avait essayer un temps soit peu d'interpeller les journalistes qui commettent des abus. Parce qu'il faut le dire, la profession est gangrénée par des brebis galeuses. Vous avez une petite minorité de gens qui font le métier de, journalisme en respectant les règles d'éthique et notologie Vous avez 80% qui ne respectent rien du tout, qui ne font qu'à leur guise, qui insultent père et mère, mhm. qui affublent le président de la République de tous les mots, qui affublent les ministres de tous les mots, de toutes les accusations, et tranquillement qui sont en train de. C'est pas. Et vous, vous allez remarquer, c'est toujours les mêmes qui sont en train de commettre les mêmes les mêmes travers qui font qu'ils ont maille à partir avec la justice. C'est donc ce bureau qui a failli ou bien Non, le bureau sortant de l'ONU-MED a failli. Non, moi je l'ai dit à un de ses membres tout à l'heure, je lui ai dit non, non, non, je dit, vous avez échoué. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous avez fait pendant tout votre mandat Rien. Et donc, demain, l'équipe qui va être mise en place, il faut qu'elle soit une équipe combative. Mhm. Il ne faut pas qu'on tombe dans les mêmes travers. il faut qu'il puisse... Parce que le but de l'ONIMED, c'est quoi C'est de faire en sorte que qu'on ne puisse pas arriver à eh, eh, des, des, interpellations au niveau de la police, que l'organe d'autorégulation lui-même puisse gérer les, ces, militants, puisse gérer les journalistes en empêchant à ce que. Donc, si les, autorités ont, donné l'impression d'avoir, euh, euh, en tout cas, euh, persécuté les journalistes, mhm. c'est tout simplement parce que l'organe mhm. d'autorégulation a failli. Peut-être que l'affaire de Baba Alpha aussi a joué n'est-ce pas Même si on sait que Baba Alpha, ce n'est pas une affaire qui mm. de, de, de, journaliste, c'est une affaire de droit commun. Voilà. Mm-hmm. ce n'est pas le bureau actuel qui a, qui a, failli de numéro, l'UNIMED. depuis son, le premier jour où on l'a mise, mise, en place, et n'a servi presque à rien. Pourquoi Parce que. La première équipe, quand même, avait fait. Je ne pense pas qu'elle. Puisque à l'époque. 10, décisions avaient été prises et celle-là, elle n'a aucune décision à son on, on, on prend aussi les décisions pour des journalistes, peut-être qui n'ont pas des épaules larges, qui ne sont pas grands l'époque, il y avait mhm. des, grands patrons de, des entreprises de presse qui ont commis beaucoup de fautes. Mais qui ont été interpellés on ne pouvait pas, Je, suis sûr qu'à l'époque, vous ne pouvez pas euh, interpeller, euh, excuse-moi, euh, le, patron de, l'événement. Il est venu Tu ne mhm. pouvais pas interpeller. Moi, j'étais membre le, patron, le, patron, de l'enquêteur, même quand vous les appelez, quand ils viennent, qu'est-ce que vous pouvez leur faire Vous ne pouvez Moi, j'étais membre de l'ONU. Oui, et donc, vous, quelles, sont, quelles sont vos attentes donc avec ce nouveau bureau qui sera renouvelé demain. oui. Quelles sont vos attentes Je jamais rien attendu de, l'ONIMER, tout mhm. comme du bureau de la maison de la presse, parce que eux aussi, un peu comme l'USN, à un moment sont gangrenés ou sont infiltrés par le politique. Mm. Je me rappelle lorsqu'il y avait eu les élections au sein de, la maison de la presse, on avait dit que non, non, il y avait un candidat du, pouvoir, il fallait faire tout pour qu'il soit eh, élu, il y avait un candidat qu'on voulait à tout prix eh, éviter. Vous voyez, partout aujourd'hui où, ce sont des associations, il y a une infiltration du politique de tout bords, hein, pas seulement mhm. du, pouvoir, mais aussi de l'opposition, pour que chacun puisse se placer. Donc c'est pour ça que je me dis aujourd'hui, lorsque un journaliste est journaliste et en même temps euh, politicien ou un, peu homme politique ou militant dans un parti politique, lorsqu'il vous appelle, vous, en tant que journaliste, qu'est-ce qu'il peut vous dire Il n'a pas aussi cette crédibilité. Mhm. Et en revenant sur le bureau actuel, c'est vrai que et c'est ceux qui forment le bureau n'ont pas aussi la carrure ou les, les, les coups de frange, ou eux-mêmes ne sont pas si clean euh, que ça pour appeler, pour mhm. interpeller un journaliste, pour avoir commis telle ou telle euh, faute. Je mhm. pense que lorsqu'on va euh, élire un bureau, surtout de l'ONIMED, pas de la de la presse par mhm. exemple, de l'ONIMED qui est un tribunal, comme on dit, de pair, on doit être irréprochable en quoi que ce soit. Il mhm. faut que je me dise, je suis blanc comme neige pour essayer, par exemple, d'interpeller garé s'il fait quelque chose ou El Hajj Mahmoud s'il fait quelque mhm. chose. Mais lorsque moi-même, je sais que je ne suis pas clean. Mais attends, si tu m'appelles, je vais te le dire. Toi-même, tu n'es pas euh, ce que tu penses. Merci. Elhaj Suleiman, vous, quelles sont vos attentes face à ces élections de euh, demain euh, Mes attentes, ce c'est que moi, j'ai vécu l'expérience d'une sorte numède en Côte d'Ivoire en 96, ça s'appelle Olped, mm c'est l'Observatoire pour la liberté de la presse en Côte d'Ivoire. Ça, moi, dans mon entendement, ça devrait être numède Et régulièrement, ils font leur rapport, ils examinent l'état de lieu de la presse, et on va dire, normalement, tel organe, tel article, et soit euh, euh, euh fait un appel tendancieux, mm-hmm. porte sur religieux, en tout cas, de sorte que les journalistes sont, jugés, les organes sont jugés, et vous allez voir, on publier le rapport de, de, de, Donc, par conséquent, ça joue le tribunal des de, Donc, ce qui fait que, vous savez très bien, c'est plus dangereux le jugement des pères. Mhm. Lorsque c'est vos confrères qui disent que ce que vous faites n'est pas bon, mhm. même si vous avez raison, ça vous handicape, ça touche mhm. votre crédibilité. <laughs> Donc moi, je pense que véritablement, le procès au niveau de, je pas comme d'un qui s'en mm à rien, effectivement, ils font beaucoup de formations, en tout cas, euh, aux, journalistes. Mais, mais je pense que véritablement le travail vraiment le plus attendu, c'est qu'ils qu'il puissent vraiment eu ce tribunal vraiment de, peur. Et pour le faire, il faut qu'il y ait plus d'engagement au niveau des mhm. membres du bureau, qu'il mhm. incarne que vraiment, comme il l'a dit, vraiment les valeurs, en tout cas, de déontologie. Nous bouclons Nous, sommes presque à la fin. oui. formation avec les mêmes formateurs mhm. depuis aujourd'hui 10 ans ou 15 ans, ça ne change rien. Je pense qu'il faut changer de, tactique. Et aussi, lorsqu'il y a des journaux, chaque fois quand tu regardes un journal, il, se contredit, il fait des rectificatifs, ce qui n'a pas de sérieux. Et ils sont nombreux les journaux dans dans, leur parution, chaque semaine, on dit on s'excuse pour X, pour Y. Et donc, je disais, nous bouclons ce forum avec du sport. La 39e édition du Sabre national se tiendra en décembre, donc dans un mois à Zender. La semaine dernière, le ministère de la Jeunesse et des Sports a mis en place un nouveau comité en lieu et place de la fédération pour continuer à assurer les activités de la lutte pour une durée de trois ans. Gare Amadou, rapidement, quelle lecture faites-vous de cette décision du ministère à un mois du rendez-vous du Sabre national ah oui, un championnat de lutte qui s'annonce euh, dans des conditions assez tumultueuses parce qu'une fédération dissoute, un comité mis en place pour trois ans, <laughs> je ne sais pas comment est-ce que les ligues vont réagir par rapport à ça. Et le championnat ne va pas se dérouler de la sérénité, c'est clair, il faut le dire. Parce que les cadres du ministère qui ont été choisis et d'autres journalistes et d'autres personnalités du monde de, la lutte qui ont été choisis, mais quelle est leur emprise sur les ligues mm. Comment cela va se passer Vraiment, moi je m'inquiète ce championnat-là. J'attends de voir comment ça va se passer, mais franchement, je suis très, très, très pessimiste quant au bon déroulement de ce championnat-là et quant à l'esprit de sérénité qui doit l'entourer. Mm. Parce que quoi qu'on dise, les ligues et, une fédération, c'est toujours important, ça fait plus crédible. Et pour un pays qui, qui est appelé à participer à des tournois de la CDAO, mm -hmm. qu'on dise que non, non, là-bas c'est un comité, au Niger c'est un comité euh, euh, provisoire qui a été mis en place pour trois ans, c'est vraiment une insulte pour notre, notre sport. roi mm -hmm. Alors vous, Roufaï, comment vous voyez euh, le, déroulement de ce championnat sans l'implication de la lutte Je pense que le, le championnat est je vais être plus optimiste que Garé, peut bien se passer pour le championnat. Mais pour les trois prochaines années, comme il l'a dit, les ligues ont besoin de fédérations pour être euh, plus gérées, oui, crédible, mm-hmm. crédibles. Parce que, bon, le ministère, c'est vrai, ce sont des cadres de ministère. Mais le problème ne date pas d'aujourd'hui. Le problème date du de, renouvellement du, dernier bureau sortant. Mm-hmm. On a tout fait pour que l'autre bureau euh, quitte. On a amené Abou Baganda qui est venu lorsqu'il est venu. Vous connaissez lui-même comment il est. Maintenant, on a tout fait parce que il avait un moins de problème avec le ministère des Sports, on l'a évincé. Aujourd'hui, lorsqu'on l'a évincé, encore d'autres, euh, parmi les, les ligues 5, on dit qu'il faut le ramener. Le mhm. ministère ne voulant pas le ramener, il faut trouver une autre poste de sortie pour ne pas se ridiculiser. Maintenant, on l'a euh, euh, évincé, on a mis un comité. Voilà aujourd'hui là où on en est. Mais je ne pense pas que trois ans, c'est bon. Il faut diminuer pour aller rapidement aux Et là, Suleiman, vous, quel est votre mot sur ce sujet d'intérêt mm, national Mon mot, c'est que véritablement, je pense que le ministre a un peu abusé à mettre un comité pour trois ans. Mhm. Pourquoi pas un an. Parce que véritablement, on sait comment fonctionne le comité, mm-hmm. C'est moi, là il faudrait vraiment essayer vraiment de, les reverser vraiment pour faire mm-hmm. avancer la lutte. Euh, mm-hmm. Vraiment. Moi, je pense qu'un an, ça suffit pour le comité. Après un an, vraiment, euh, créer une vraie élection, en tout cas, pour mettre en place. Euh, euh, la finalité, en tout cas en bonne et due forme, je pense que ce serait mieux pour le pays. Merci à vous. Nous sommes, oui, nous sommes donc au terme du forum de la presse de ce soir. Nos remerciements à nos invités, M. Gary Amadou du quotidien La Nation. Roufaï Dandoua, journaliste indépendant, et Elhaj Suleiman Mamadou du journal en ligne Niger Inter. Merci de nous avoir suivis, chers auditeurs et auditrices. Prochain rendez-vous la semaine prochaine.